le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du heures de 15 minutes, bienvenue dans cette édition du forum du Studio Kalangou, le Studio Kalangou que vous écoutez grâce aux 20 radios partenaires disséminés à travers le Niger et qui relèvent les programmes. Le forum de ce soir traitera de l'engagement citoyen sur les réseaux sociaux. Quelles sont les formes d'engagement citoyen au Niger à travers les réseaux sociaux Quel impact peut avoir ces engagements sur la vie quotidienne Comment rendre efficace cet engagement citoyen Quelles sont les formes de menaces qui peuvent limiter ces formes d'engagement, ce sont là, entre autres questions auxquelles nous tenterons de répondre tout au long de cette émission. Autour de la table pour en discuter, nous avons avec nous Madame Sissé Taribako Nadia, membre du groupe DIFA Hiker, qui a été initié, qui a initié une campagne de collecte de fonds et de vêtements pour venir en aide aux populations du DIFA. Bonsoir à Touré Nadia. Sissé Nadia. Madame Sissé Nadia, oui, bonsoir à vous et puis merci de m'avoir reçu. Merci. Avec nous également Bachir Talfi, qui est coordinateur euh, du groupe Niger Cyber Citoyen, Nigérien pour la période de mars avril mai, qui est là avec nous. Euh, bonsoir euh, Talfi. Bonsoir et merci de nous avoir reçus. Avec nous également Seydou Arji, qui est journaliste et consultant en communication et gouvernance. bonsoir Seydou Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'avoir honoré notre invitation. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous prenez en cours dans le forum d'Istudio Kalango. Le thème principal de ce soir est l'engagement citoyen sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp ou Twitter au Niger. L'engagement citoyen, si vous voulez, ce sont des gestes quotidiens pour participer à la vie de la société. Il est basé sur des valeurs comme l'écoute, le partage, l'entraide et la solidarité. L'avènement d'Internet, la prolifération de la téléphonie mobile ont permis de favoriser une interconnexion et un raffermissement des liens d'amitié, un partage assez rapide d'informations d'un point du monde à un autre. Et au-delà d'une simple utilisation à des fins personnelles, de plus en plus, l'on assiste à l'émergence de groupes constitués qui s'affairent souvent à des tâches d'intérêt général, une manière pour beaucoup de participer à leur façon à l'évolution des choses dans leur pays, d'où le sens de l'engagement citoyen au moyen d'Internet. Le Niger, à l'image des, autres pays de la sous-région, n'est pas resté en marge de cette évolution. De nos jours, l'on assiste à l'émergence de groupes Facebook ou WhatsApp qui s'illustrent de par leurs actions qu'ils mènent, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Ce soir, nous en avons invité pour vous deux le groupe, d'abord le groupe DIFA Eker, représenté ici par Madame Sissé Taribako Nadia, qui a initié une campagne de collecte de fonds et de vêtements pour venir en aide aux populations nécessiteuses de la région de DIFA. Sur Facebook, ce groupe compte à ce jour environ 1400 membres je vous vois. Euh, oui, allez. <laughs> non, non, en fait, euh, je n'ai pas initié, je ne suis pas l'initiatrice. Je parle du, de DIFA Iker, c'est DIFA Iker, l'initiative DIFA Iker qui qui initie la collecte. Tout à fait. Et euh, en fait, au jour d'aujourd'hui, le groupe euh, compte, compte 2640 membres. Déjà. Donc, ça, croît, du jour au jour. Tous les jours, ça augmente alors qu'on est pratiquement à la fin même de, cet événement. Alors, Madame Sissénadia, dites-nous brièvement d'où est partie l'idée d'une telle initiative. Alors, euh, pour commencer déjà, c'est vraiment une idée collective. C'était, on a un groupe d'amis, on s'assoit d'habitude ensemble pour discuter tous les week-ends, comme bon, il n'y a pas grand-chose à faire les week-ends à Niamey. Et donc l'un d'entre nous, euh, d'ailleurs je vais le citer, qui s'appelle Bachir Bedari, il m'a dit euh, écoute Nadia, pourquoi on ne va pas, puisque nous travaillons et que nous, avons, bon, nous avons quand même euh, de quoi manger, pourquoi nous n'allons pas aider la population du DIFA, d'autant plus qu'à la télé, nous voyons tous les jours DIFA est attaqué par là, il y a des sinistrés par là. Il dit mais avant tout, nous sommes Nigériens et nous devons quand même penser à nos frères nigériens. Pourquoi toujours attendre que les autres viennent le faire à notre place Alors qu'on peut le faire. Alors qu'on peut le faire. Et je lui ai dit oui, mais pourquoi pas Entre-temps, euh, on a un ami qui est aux États-Unis du nom de Zuber Dansoussou. Lui aussi, il m'appelle juste deux jours, c'est-à-dire le mardi. Le samedi, Bachir m'avait parlé. Et deux jours, lui aussi, il m'appelle, et me dit, bah, écoute Nadia, euh, moi, je suis aux États-Unis et je vois tout ce que les ONG sont en train de faire à cause de DIFA. Euh, est-ce que vous avez pensé au moins à, faire une activité autour de DIFA j'ai dit, ben oui, il n'y a même pas deux jours, on en parlait, pourquoi pas Alors voilà comment on, a, on s'est dit, bon voilà, on, va, on connaît beaucoup de gens, hein, on connaît des activistes et tout. On s'est dit, pourquoi ne pas les inviter, qu'on fasse un groupe de jeunes et qu'on commence à utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir attirer d'autres jeunes. Si tout un chacun donne ce qu'il peut, oui, là, nous pouvons atteindre nos objectifs. Donc voilà comment c'est parti. Oui, on se demanderait pourquoi le nom anglais DIFA I CARE, je m'inquiète. Tout simplement parce que déjà, pour commencer, l'anglais, c'est vraiment la langue actuellement, c'est la langue universelle. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, même pour avoir du travail, lorsqu'on parle anglais, ça passe deux fois plus vite que lorsqu'on ne parle pas anglais, premièrement. Deuxièmement, I care parce que ça accroche. C'est vraiment, c'est un mot, c'est un terme qui accroche. Voilà pourquoi nous avons utilisé DIFA I CARE. Est-ce que ce n'est pas parce que l'un des membres qui vous a encore plus donné l'idée. À cause de M. qui est aux États-Unis Non, pas du tout. <laughs> On s'est dit simplement que c'était plus accrocheur et parce que nous sommes jeunes, tout simplement. Aujourd'hui, on écoute, le hip-hop américain alors qu'on comprend pratiquement pas ce qu'ils disent. Est-ce que vous pensez que cette initiative aurait été possible sans l'aide des réseaux sociaux Alors là, pas du tout, franchement. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont d'une importance mais capitale on est obligé, on est vraiment obligé de passer par les réseaux sociaux. Et c'est tendance, Facebook est tendance, Twitter c'est tendance, donc on est obligé, on ne peut pas. Quand on est de cette génération, en tout cas entre 85 jusqu'à 96, on est obligé de passer par là pour pouvoir atteindre un maximum de personnes. Nous allons revenir à vous le temps de donner la parole à Talfi Idrissa Bachir, qui est coordinateur du groupe Nigérien nigérien cybercitoyen. Alors, un groupe qui œuvre notamment dans le cadre de l'insalubrité et l'incivisme. Pouvez-vous nous faire rapidement une brève présentation de ce que c'est que le, Niger, le groupe nigérien cyber citoyen euh, Merci donc, Monsieur Alassane. Euh, le groupe euh, Niger Cyber Citoyen est né aussi donc, de l'idée de certains d'entre nous il regroupe des, jeunes et des moins jeunes, je, veux dire. ce n'est pas comme des faïkers où il n'y a que des jeunes. Mhm. Dans Nigérien cyber citoyen, il y a des jeunes et des moins jeunes. il est parti du constat que, bon, euh, on parle euh, du programme Niamey-Niala, de faire de Niamey une ville coquette, alors qu'on s'est rendu compte que, bon, euh, Niamey croule quand même sous l'insalubrité, sous l'insalubrité qui a plusieurs causes et l'incivisme également. Maintenant, l'incivisme, euh, il y a tout un éventail hein, d'incivisme, mais l'insalubrité aussi, ça compte euh, dans les cas d'incivisme euh, donc de la population de Niamey. Alors, l'idée est partie de là. L'initiatrice, je vais citer, euh, Ina Karanta, euh, donc de Ramat Salifou. Alors, elle a réuni euh, des amis, des contacts et des personnes qu'elle savait pourraient être engagées quand même pour cette cause. Et on l'a appelée d'ailleurs notre cause commune, NCC, Nigérien Cybercitoyen. Et l'idée, c'est de faire vraiment le, maximum d'actions d'abord sur le, sur le web en utilisant Facebook, Instagram et Twitter. Et voilà, comment l'idée est partie. Et les actions au départ étaient des actions, j'allais dire, virtuelles, mais il y a eu également des actions sur le terrain d'enlèvement de dépôts d'ordures. Et à une des actions d'ailleurs, nous avons eu l'amitié d'avoir certaines autorités, vraiment de très hautes autorités, notamment le Premier ministre et certains ministres, qui avaient participé, j'allais dire, ne serait-ce que pour quelques minutes à, ces actions-là d'enlèvement d'ordures. Nous allons revenir par rapport aux actions réalisées et qui sont en cours. Mais dites-nous déjà, vous êtes à combien de membres à Environ 12 000, si je ne me trompe ou plus Non, 13 000. Hein. Je n'ai pas le chiffre exact là en tête, j'ai pas vérifié. Là également, ça, évolue Ça euh, évolue. sur la page Facebook, euh, est autour de 13 000, euh, ou 14 000 suiveurs sur la page Facebook. Mhm. En quoi est-ce que les réseaux sociaux ont permis la concrétisation de, ah, ben, Déjà, c'est le, <clears throat> c'est la traînée de poudre, j'allais dire. Hein. dès qu'il y a une cause pour laquelle les gens de tous horizons, je veux dire, hein, de tous horizons, ce n'est pas seulement des jeunes, des moins jeunes, mais de tous horizons, de tout bord politique, de toute religion, de tout... il n'y a aucune distinction. Nous avons même fait une charte dans laquelle c'est clairement dit qu'il euh, n'y a pas de distinction, il n'y a aucune discrimination dans, dans, dans, NCC, donc notre cause commune, Nigérien cybercitoyen. Et euh, c'est vrai que les réseaux sociaux ont permis, ont permis de toucher une très, une très, très, très large bande de, de personnes, aussi bien à Niamey, au Niger, mais également à l'extérieur. Donc, de personnes qui suivent et qui participent quand même à l'animation de, de la page Facebook. Merci. Je me tourne vers vous, Sedou Arji. Vous êtes euh, journaliste, juriste, consultant en communication et gouvernance. Alors, quel est le regard que vous portez par rapport à l'engagement euh, citoyen du Nigérien sur les réseaux sociaux Ce que nous observons relève euh, de ce qu'on appelle la communauté virtuelle C'est des communautés d'apprentissage, d'échange et de solidarité. C'est ça leur classification. Elles sont créées de façon spontanée ad hoc, comme Difa euh, du kia. Il y a aussi des formes de créées par euh, juste un groupe social, tel que des amis d'un lycée qui veulent euh, se retrouver, tel que les gens d'un village ou d'une communauté, et vous avez d'autres communautés virtuelles créées par des entreprises ou des utilisateurs d'un produit particulier. Vous avez aujourd'hui des communautés virtuelles sur les usagers de telle marque de téléphone ou autres. Maintenant, à travers les opportunités que ces communautés virtuelles offrent, certains citoyens en ont fait un outil d'engagement citoyen. Engagement citoyen sur le plan des politiques publiques, sur le plan de la solidarité, et sur le plan de la participation politique tout court. Donc aujourd'hui, lorsqu'on observe les différents groupes qui se créent, on constate que les gens utilisent les réseaux sociaux parce que ces réseaux sociaux sont les seuls à leur permettre de faire ce qu'ils sont en train de faire, dès lors qu'ils ignorent les barrières géographiques et parfois linguistiques. Et madame vient de dire que pour, leur le groupe euh, du il y a des gens aux États-Unis, un peu partout, qui contribuent. Il y a des gens à l'intérieur qui peuvent le faire ici aussi. Tout comme notre cause commune, vous allez voir qu'il y a des gens. Donc l'avantage de ces instruments, c'est qu'ils permettent de faire un travail qui n'aurait pas été fait parce que les gens sont dispersés ou ils n'ont pas le moyen d'être ensemble ou d'envoyer leur contribution à temps. Donc c'est vraiment la tendance aujourd'hui, c'est des outils qui sont là, qui sont utilisés de diverses manières, que ce soit, comme je l'ai dit, sur le plan de la participation citoyenne politique, de la solidarité, ou tout simplement pour le loisir, parce qu'il y a l'aspect de la socialisation. À travers les différents noms, vous voyez qu'il y a les réseaux Maintenant, quel usage enfant je trouve effectivement que l'usage tel qu'il est décrit, c'est des usages qui bénéficient à la communauté tout entière pour résoudre certains problèmes récurrents ou qui sont à l'ordre du jour. Et qui sont salutaires, vous pensez Tout à fait, c'est salutaire parce que on veut venir en aide aux communautés pour faire le lien. À travers votre journal, j'ai suivi tout à l'heure le témoignage d'une fille en désarroi suite à la fermeture du campus. Il y a eu des initiatives aussi sur le net qui ont demandé aux étudiants n'ayant pas de gîte de s'adresser à certains réseaux pour pouvoir bénéficier d'un minimum de sécurité. Et dans cette situation, lorsque vous avez des filles qui n'ont pas là où aller, vous conviendrez que la question est plus dramatique. Mais à mhm. travers les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut aider ces personnes qui sont en détresse. Nous allons, nous allons continuer donc avec euh, la, la, la, partie, la deuxième partie de cette émission qui concerne donc les réalisations déjà euh, que vous avez en, votre actif. Je parle notamment de Cyber cybercitoyen et de DIFA Eker. Je m'en vais commencer avec vous, Mme euh, Madame Sissé Taribako, Nadia. vous êtes membre donc de DIFA Eker. Dites-nous à la création, depuis la création de DeFi à ces, à ces jours, qu'est-ce que vous avez fait concrètement comme action sur le terrain donc, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous avons utilisé les réseaux sociaux déjà pour, euh, en tant que support de communication, hein, pour, dire aux gens, voilà ce que nous voulons faire, voilà pourquoi nous voulons euh, créer ce mouvement. Euh, donc beaucoup de gens nous ont répondu via les réseaux sociaux, ils nous ont écrit pour nous dire que voilà, c'est une, noble cause, c'est vraiment saluable. Et les gens ont voulu commencer déjà à donner leur contribution. Bon, nous avons fait deux grosses journées de collecte. Déjà, ça a commencé par les quartiers. Hein. Tout un chacun d'entre nous, nous sommes près de 200 sur le groupe WhatsApp. Tout un chacun d'entre nous est ambassadeur et chacun a maîtrisé son quartier. C'est comme ça qu'on s'est départagé les rôles. Donc encore, les réseaux sociaux, hein, c'est WhatsApp qui a fait que nous avons pu coordonner tout ça. Chacun était ambassadeur de son quartier et chacun a, on a parlé de bouche à oreille à ces gens autour de lui. Donc voilà comment nous avons commencé à collecter des habits, euh, des pantalons, euh, des chaussures. Et, de l'argent euh, De l'argent, c'est venu bien après. Il a fallu, je pense, la deuxième semaine, parce que là, il faut dire que nous avons moins d'un mois. Hein. C'est à moins de mois qu'on a pu euh, avoir près de. Nous avons, quoi, nous avons eu 3000 en termes d'habits et de chaussures, 3000 000 euh, articles. En termes d'argent via Airtel Money, parce qu'on a dit que tous les transferts, toutes les personnes qui veulent donner doivent faire un transfert via Airtel Money. Et puis pour qu'on ait aussi une trace derrière. Parce nous avons, nous nous, sommes dit qu'après, à la fin de cette opération, nous allons envoyer des cartons de remerciement. Bon, il y a des personnes aussi qui souhaitent rester anonymes eux, ils donnent carrément leurs enveloppes. C'est vraiment, c'est vraiment basé sur la confiance. Et les gens ont confiance. Et, les gens ont confiance. Franchement, on n'a pas eu ce problème. Maintenant, c'est juste sur les réseaux sociaux, il y a toujours, parce que ça a ses barrières, hein, les réseaux sociaux, il y a toujours ceux qui ne comprennent pas. Il y a toujours ceux qui sont fâchés. Il y a toujours ceux qui nous traitent de voleurs. <laughs> Bon, ne serait-ce que hier, peut-être qu'on va revenir dessus plus tard. ne serait-ce que hier, j'ai été agressée sur les réseaux sociaux. Mais bon, je les comprends. Ils ne comprennent pas. Vous avez aussi des antennes dans les régions où, qui, vous aide à, cette, à, à, On a une amie, par exemple, euh, c'est une promotionnaire à moi. Non, non, non, elle, elle est au Canada. Elle a carrément ouvert euh, une ligne sur Internet pour que les gens puissent payer avec la carte bancaire. Et je pense que cette ligne, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à presque 500 dollars. Donc les gens, la diaspora, les Nigériens qui sont à l'extérieur, peuvent envoyer de l'argent via cette ligne. Donc à la fin, c'est-à-dire le jour de la clôture, le 15, elle, elle va nous envoyer l'argent, euh, enfin elle va nous faire un transfert ou bien par Western ou bien par MoneyGram. Mais il y a une ligne qui est là, mais les gens vraiment ont contribué d'un peu partout. Alors on sait que la collecte a débuté en, la première étape, 1er 2 avril. Et ça se poursuit jusqu'au 15 avril Jusqu'au 15 avril. Parce que vraiment, on a dit que c'est une, c'est, une collecte qui est ponctuelle, c'est une action qui est vraiment ponctuelle, c'est juste pour donner l'idée pour donner l'exemple aux Nigériens. Nous avons tous du travail, euh, ne serait-ce qu'aujourd'hui pour venir vous répondre, c'était un problème pour trouver ce temps. Je suis chef d'entreprise et on n'a pas tous ce temps pour pouvoir continuer euh, cette, action dans le temps. Mais c'est vraiment ponctuel et on compte l'achever d'ici le 30 avril, Inch'Allah. Une idée, juste euh, le mécanisme de distribution, est-ce que vous avez pensé comment ben Oui, bien sûr. on a pensé aux transporteurs. Rimbo, par exemple. On a été voir Rimbo, qui, nous a vraiment. D'ailleurs, je, vais passer par cette antenne pour lui. Et éviter de citer trop de noms d'entreprises. Ah oui <laughs> Bon, mais Rimbo, il non, c'est dit sur les réseaux sociaux, pourquoi le cacher Rimbo nous a beaucoup aidés parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à Rimbo que nous arrivons à acheminer euh, nos colis vers DIFA. Donc nous avons euh, une de nos collègues qui est là-bas actuellement, qui nous attend d'ailleurs, et c'est elle qui réceptionne tous les colis, tous les colis qui partent à Niamey. Près de 200 sacs. Donc c'est quand même énorme. Et l'argent, nous avons dit que nous allons euh, acheter des vivres avec pour pouvoir euh, donner aux gens qui sont là-bas. Est-ce qu'il y a une structure qui vous représente, qui est chargée Il n'y a pas de structure. aux organisations non, non, non, non, on ne donne à personne. C'est nous-mêmes, nous allons rencontrer les sinistrés. Main à main, nous distribuons. C'est ça l'action. Donc il y, a des ambassadeurs. Il y a des, ambassadeurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes 200 sur le groupe WhatsApp. Donc il y a vraiment plein de gens et puis nous allons sur DIFA à fond propre. Donc euh, voilà, ça n'a, il n'y a rien de caché dedans. Tout est, tout les gens transparent. Vous font confiance, comment ça se ah, Pour l'instant, moi, je n'ai pas eu ce problème. Les gens ont donné leur argent. Personnellement, je n'ai pas eu ce problème. Ils savent tous que nous voulons faire euh, une bonne action. Bon, on n'a vraiment pas eu ce problème, non pour l'instant, à part justement les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne savent pas de quoi il s'agit et qui ne sont pas avec nous tous les jours. Donc ces gens, je comprends qu'ils soient sceptiques, c'est normal. D'accord. On va passer à vous, M. Talfi Drissa Bachir. Vous, vous représentez Nigérien Cybercitoyen, un groupe, je le disais tout à l'heure, qui œuvre dans le domaine de l'insalubrité et de l'incivisme. Alors, dites-nous vos domaines de prédilection, donc ces deux que je, venais, viens de citer. Principalement, pourquoi ces deux, l'insalubrité, l'incivisme euh, merci. pourquoi ces deux ben, euh, que voulez-vous que je vous dise euh, C'est un choix. C'est un choix qui est parti euh, donc de, des constats que nous avons faits. Je, l'avais dit tout à l'heure dans ma première intervention. C'était de contribuer quand même à faire le déclic le déclic du changement de comportement euh, de la part du, Nigérien, mais surtout euh, du, Niamien d'abord. Et euh, bon, le mouvement s'est étendu à, d'autres régions du pays. Nous avons vu, après les actions de Nigériens cybercitoyens, qu'il y a il y, a, de la duplication donc de, nos actions dans les autres régions du pays. <clears throat> donc euh, les actions, c'est d'abord des actions contre l'insalubrité, contre l'incivisme, mais pas seulement. Euh, la feuille de route que nous avons élaborée en juillet 2016, euh, on a un axe principal qui est l'insalubrité, mais euh, il y a aussi des axes euh, secondaires que sont donc l'incivisme, la sécurité routière, l'éducation, euh, etc., etc., etc. Et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à l'insalubrité, par, par, exemple Par rapport à l'insalubrité, euh, je pense qu'on a au moins cinq actions qui, avaient, qui ont été faites. la première action, elle date du 14 juin 2016 qui coïncidait avec la journée internationale donc, de l'environnement, c'était l'enlèvement du, je ne sais pas si vous connaissez, le dépotoir qu'il y avait à l'angle du palais de justice, en face de la direction générale de la Poste. Oui. Donc là-bas, c'était la, c'était la première action. Ensuite, il y a eu une autre action, la deuxième au niveau du marché diamantier, une, une action nocturne. Euh, l'enlèvement donc du... On ne pouvait pas enlever peut-être toute la tout le dépotoir, mais il y a eu un début d'action. Ensuite, euh, au 24 juillet, on a fait enlever le, le, dépotoir, le grand dépotoir de la Sonusi, dans la commune 1 de Et c'est justement à l'occasion de cette action euh, que, euh, comme ça, hein, par hasard, euh, je pense que c'est <laughs> peut-être le passage de certaines hautes autorités. Et nous avons eu, je disais tout à l'heure, l'amitié du Premier ministre qui s'est arrêté et qui a donné quelques coups de râteau, quelques coups de pelle. avec vous Avec nous, et, qui a fait d'ailleurs, les photos ont fait d'ailleurs le tour un peu du web, du journal quotidien, le salle dimanche, etc. Et le commissaire Niamey Niala également était là. Euh, le ministre de la Salubrité, le ministre actuel donc des Affaires étrangères, et qui avait promis que, euh, en tout cas, Niamey Nialay, la Salubrité, le ministre de la Salubrité, allait accompagner euh, ces actions-là. Euh, une action a eu lieu également devant l'école primaire donc, de Talagé 1 où il fallait enlever les dépotoirs qui empêchaient l'accès à l'école par les enfants de cette école-là et qui euh, bouchaient carrément le caniveau ouvert qui était en face de l'école. Euh, et la dernière action, euh, c'est le quartier Bangabana, euh, dans la commune 5 de Niamey, où bon, il, nous a fallu quand même deux actions là-bas sur deux semaines, puisque les actions nous le faisons que les dimanches, comme l'a dit Madame Nadia. Voilà, tout le monde est occupé, chacun a des occupations, donc c'est le dimanche que l'on profite pour faire ces, ces actions-là. On essaye de se dégager pour y participer. Bangabana, par exemple, il a fallu deux, deux semaines pourquoi Parce que dès le lendemain de, l'action, de l'enlèvement, ben, euh, c'était revenu comme si rien n'avait été fait. Qu'est-ce qui a causé cela Parce que les gens déversent euh, trop de, poubelles ou parce que... Les gens déversent trop, ça c'est normal. Tout le monde produit euh, des déchets ménagers. Mais il faut que la commune suive en faisant l'enlèvement régulier pour amener à la décharge municipale. Mais c'est là que ça ne, ça ne marche pas. Il y a un problème qui fait que les communes ne font pas l'enlèvement régulier. D'où le fait que l'on trouve euh, que Niamey est extrêmement sale. C'est normal, les gens produisent des déchets tous les jours. Alors, et là, actuellement, sur les trois mois euh, suivants, de mars à mai, euh, nous avons dit que nous allons recentrer l'action quand même, puisque le groupe s'appelle Nigérien Cyber Citoyen. Donc, c'est les citoyens nigériens qui sont sûrs sur le web. Donc, les actions seront principalement des actions de sensibilisation euh, sur le code d'hygiène publique qui interdit toutes ces actions de euh, déversement euh, de façon anarchique donc des, des ordures ménagères. Et là, ce sera, on a demandé aux internautes qui nous suivent que chacun dans sa commune, dans sa ville, dans sa région, dans son quartier, de faire des selfies ou des photos des différents articles du code, du code d'hygiène publique qui seront publiés, qui seront postés pour illustrer les les, les interdictions donc de, de ce code-là. Donc là, euh, ce n'est plus des actions sur le terrain, ce sont des actions vraiment euh, sur, le, sur, le, sur le monde virtuel, sur le cyber, hein, de sensibilisation essentiellement. sur le changement de comportement. Sur le changement de comportement. Et ça parce que, euh, en fait, c'est l'action de NCC, ce n'est pas plus de faire le travail des communes d'enlèvement des ordures c'est d'attirer l'attention des populations, des autorités, sur le fait que les ordures sont là, on ne doit pas les laisser là, eh et il faut les enlever. C'est surtout ça, c'est de faire le déclic et que les gens se disent que ce n'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait des ordures là, il faut les enlever. Donc c'est surtout ça, c'est surtout une action de sensibilisation, de dénonciation d'abord, mais de sensibilisation dans, euh, dans le fond en réalité. Est-ce que vous avez l'impression que c'est en bonne marche euh, l'impression que c'est en bonne marche, euh, je sais qu'à un certain moment, lorsqu'on était dans les actions d'enlèvement, donc pour le faire faire, comme on l'a appelé, euh, on a remarqué à chaque fois que l'on annonce, puisque quand on doit faire un enlèvement, on annonce ça sur, la page Facebook. Mais à chaque fois qu'il y a une annonce, c'est comme si quelque part les autorités communales, j'allais dire, étaient à, laguer et suivaient <laughs> l'action de NCC. Dès lors que l'on annonce que à tel endroit il y a des ordures et que nous irons à l'enlever, eh bien, le lendemain ils sont sur place et ils ont fait l'enlèvement. Donc je pense qu'à ce niveau, euh, il, y a, euh, il y a suivi de l'action de NCC. Mhm. Maintenant, quant, à, quant aux populations, euh, ce que j'ai omis de vous dire, c'est qu'avant chaque action, avant chaque action d'enlèvement, par exemple dans les quartiers ou dans les communes, il y a un groupe de personnes qui vont sur le terrain, qui rencontrent euh, d'abord les autorités coutumières, notamment le chef de quartier, le, la commune, et euh, les, leaders d'opinion de, de, ce quartier-là pour discuter avec eux comment impliquer les populations. Parce qu'on leur dit quand même que c'est vrai, nous dénonçons, nous sommes venus pour enlever, mais euh, l'essentiel, le plus important, c'est que elles-mêmes, les populations, participent à l'action. faire l'affaire de tout le monde. Exactement. Donc je pense qu'à partir de cet instant-là, on arrive à faire la, sensibilisation des personnes et il y a du porte-à-porte. Euh, parmi nous, il y en a qui s'engagent à faire le porte-à-porte pour dire aux populations que bon voilà, il y aura telle action et nous voulons que vous sortiez participer à l'action parce que c'est quand même pour elles que ça fait et au-delà pour euh, tout le monde. Merci, on va un peu plus clair sur les actions mènent que mène Nigérien Cybercitoyen, notamment dans ces domaines de l'insalubrité dont jamais euh, fait face. Je me tourne vers vous, c'est Douarji, journaliste, euh, juriste, consultant en communication et, gouvernance. Alors, est-ce qu'il faut voir là euh, une certaine maturité du Nigérien dans l'utilisation des réseaux sociaux <coughs> Tout à fait. C'est une maturité de temps plus que sur les lettres, il y a du tout. Il y a du bon comme du mauvais, il y a du meilleur comme du pire. C'est une très bonne chose que les citoyens s'engagent dans des actions au bénéfice de la communauté. Non seulement pour suppléer l'absence de l'État par rapport à certains rôles régaliens tels que la salubrité publique, mais aussi attirer l'attention des autorités, mais aussi sensibiliser, et éduquer la population sur des gestes citoyens, notamment en matière de salubrité. C'est une très bonne chose pour moi. Les gens ont choisi de faire des actions positives à travers les réseaux sociaux, plutôt que de faire autre chose. Nous avons vu qu'il y a des réseaux sociaux ou des groupes de discussion, lorsque vous les visitez, vous n'avez pas envie d'y rester. Parce que c'est des connotations partisanes, ethno régionale et bien d'autres euh, débats de caniveau. Mais ici, les citoyens se sont engagés, ils ont mis leur expertise, leur temps et leurs moyens au bénéfice de la communauté. Euh. Et c'est justement pour ça que quand je parle de communauté virtuelle, je dis qu'il y a l'aspect d'échange, d'apprentissage, mais de solidarité. Donc on sera utile à sa communauté en utilisant justement ces réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas faits que pour, euh, je ne sais pas, échanger ou autre. Il faut qu'on sente qu'il y a, qu'on vise une amélioration de la gouvernance, qu'on vise une amélioration des conditions de vie de la population et qu'on institue un débat sur ces questions. Aujourd'hui, la question de la salubrité et de l'incivisme pourrait être bien débattue à travers ces réseaux et eh, a un groupe de citoyens hein, qui sont sont dit au-delà des débats, nous on pose l'action. On, pose des actes. Et je pense que cela doit servir d'émulation. Servir d'émulation à la jeunesse, mais aussi faire en sorte que notre groupe s'y engage. Si vous prenez l'exemple de Difa Iker, effectivement, il n'est pas aisé de voir que c'est seulement des organisations internationales caritatives qui interviennent, parce qu'elles ont les mêmes modes pratiquement de fundraising des collectes dans leurs pays respectifs. Qui veut dire la manière de lever les fonds Au-delà des individus qui peuvent donner en nature ou qui peuvent donner en numéraire, et bien ici aussi, il y a des potentialités, des possibilités qui dorment et qu'on pourrait exploiter. Il y a des gens qui peuvent contribuer mhm. en nature, des gens qui peuvent contribuer en numéraire et même en expertise. Ça, c'est important parce que personnellement, j'étais sur le, camp des réfugiés, mais les besoins sont énormes. Si je vous donne un exemple, euh, il y a des femmes aujourd'hui qui, utilisent par exemple l'huile de cuisson pour vendre euh, leur corps, mm. par, pour cosmétique, mm. par manque de, de, ces, de ces objets, tout comme la cuisson alimentaire, c'est vrai, on leur vient en aide mais ça ne peut pas tout couvrir. Il faut aussi. Moi, je vois à travers ces actions, non pas le volume de ce qui a été collecté, mais la mm. signification du geste. Il faut qu'on sache qu'il y a des citoyens qui veulent rompre avec ce que nous connaissons, où chacun se met dans son coin pour critiquer, pour chercher, comme on dit, des poux sur le crâne, un crâne chaud ou mm. rasé. Mm. Et effectivement, je ne suis pas surpris que des initiatives telles que l'IFA et Kier, soient découragées par des esprits qui ne peuvent pas faire autant et qui seraient même gênés que les telles initiatives existent parce qu'ils auraient ah. bien voulu laisser les statu quo, la situation pour eux. Alors, c'est des gens dont il ne faut pas tenir compte il faut plutôt travailler avec ceux qui s'engagent sur le terrain citoyen. Alors, on a vu aussi que l'engagement citoyen sur les réseaux sociaux prend de plus en plus de, l'ampleur, euh, avec souvent, qui joue souvent le rôle d'influenceur, vous l'avez évoqué. Il joue aussi parfois un rôle souvent déterminant dans la, dans la prise de décision par les gouvernements qui n'ont souvent d'autre choix que de restreindre l'accès à ces plateformes. À ce sujet, je vous propose de suivre tout de suite l'entretien que j'ai eu avec euh, Cléa Kansriber. Elle est responsable Afrique des Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, c'est une organisation internationale qui fait donc la promotion de la liberté d'expression. Elle nous explique l'importance qu'ont pris les réseaux citoyens sur le web et la peur qu'ils peuvent inspirer chez certains dirigeants Ce qui est intéressant et ce qu'on voit, c'est qu'en fin de compte, ces réseaux citoyens, le fait qu'ils soient euh, à la fois justement euh, apolitiques euh, et transnationaux et puis dans l'immédiateté que permet Internet, l'immédiateté de l'information, euh, je pense que ça doit, euh, c'est un contre-pouvoir nouveau euh, qui est assez effrayant pour les politiques et ça se voit en fait euh, au, niveau euh, accru de répression. alors à la fois contre les mouvements citoyens, mais ça dans la vraie vie malheureusement avec des arrestations notamment des, membres de la Lucha en RDC, etc. Mais mais aussi à travers la volonté de couper les accès Internet. Ça c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus, que ce soit au moment des contestations sociales, comme ça a pu être le cas au printemps 2016 au Congo, où pour euh, soi-disant des raisons de sécurité nationale, Internet a été coupé. Au Niger aussi, ça a été le cas à l'arrivée de, l'opposant Hamadou. Euh, les réseaux voilà, sociaux au Moment, euh, au moment en fait où il y a des questions qui peuvent se poser sur la pluralité démocratique, sur les systèmes de gouvernance donc comme vous le disiez au Niger, et puis là par exemple au Cameroun, où c'est quand même la plus longue coupure d'Internet jamais effectuée euh, sur le continent, où ça fait trois mois que les régions anglophones n'ont juste plus du tout accès à Internet. Je voulais aussi parler du fait que... Euh, c'est à la fois au moment des contestations sociales, mais c'est aussi à la fois, euh, enfin, de plus en plus au moment des rendez-vous électoraux, donc au moment, en fin de compte, de cristallisation euh, du débat démocratique. Euh, et je pense que l'exemple du Sénégal en 2012, où en fin de compte, les, résultats bureau par bureau ont été tweetés comme ça au fur et à mesure, de façon assez spontanée, et rendant évident, en fin de compte, le, résultat populaire du vote, fait que maintenant, il y a une vraie terreur de la part de, de gouvernants ou de régimes qui souhaitent rester au pouvoir et qui coupent systématiquement, au moment des, des élections, l'accès à Internet. On l'a vu au Gabon on l'a vu au Congo, on l'a vu au Tchad, on l'a vu en Gambie. Euh, donc euh, ça, ça devient euh, un réflexe systématique justement pour contrer les réseaux citoyens sur Internet. C'est absolument pas normal et c'est même complètement antidémocratique et puis illégal. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies l'a reconnu, les libertés que les gens sont supposés pouvoir avoir euh, dans la vraie vie euh, sont aussi euh, transposables à leur liberté sur Internet. Donc en fait, le, le droit à Internet comme moyen de libre expression, de libre communication, de liberté à recevoir et à partager des informations est inaliénable. Donc ce que font ces, ces dirigeants quand ils coupent Internet ou quand ils, quand ils coupent les réseaux sociaux, c'est une atteinte aux libertés de, de leur population. Cléa River, responsable Afrique de Reporters sans frontières. Alors, j'ai euh, je avec vous, Seydou Arji, rapidement une, réaction par rapport aux restrictions qui sont souvent euh, la conséquence lorsque ces réseaux sociaux menacent. Euh, il faut distinguer des réseaux sociaux qui posent des actes négatifs qui sont attentatoires à la cohésion et à la sécurité publique, mais aussi les réseaux sociaux qui sont réprimés du fait de leur opinion ou des activités qu'ils mènent. Nous savons aujourd'hui que lorsqu'il y a des troubles sociaux ou des problèmes, l'une des premières cibles de nos États, c'est l'Internet. Il faut les censurer. Le reportage l'a dit, on a vu l'exemple euh, du Niger aussi. Donc, le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, et le mouvement est lancé. On ne peut plus arrêter les réseaux sociaux. On ne peut plus les contrôler du moins. On ne peut que les couper, momentanément. Et cela est une très mauvaise chose pour un État lorsque aujourd'hui on apprend qu'il y a blackout sur Internet. Mais dans tous les cas, les gens arrivent à communiquer, le mouvement est irréversible. Il va falloir plutôt développer la cyber-responsabilité. Qui veut dire Cyber-responsabilité, c'est veut dire que les groupes qui utilisent Internet doivent se comporter, je dirais pas un bon père de famille, mais dans les règles de l'art, en évitant de s'adonner à des questions sur des violations fondées sur le racisme, sur les différentes. L'appel à la haine. L'appel à la haine, au On doit utiliser de manière positive ces réseaux sociaux et ne pas en faire des outils de division ou de haine, tels que nous les, voyons dans, certains cas. il suffit, quelle que soit l'initiative que euh, vous allez mettre, vous allez voir quelqu'un venir faire un débat pernicieux. Mais bien, on ne peut pas empêcher, mais il faut les décourager. Je vais être obligé de vous interrompre. Il nous reste euh, neuf minutes pour terminer cette émission. Il nous reste beaucoup d'autres choses aussi à, voir ensemble. Je me tourne vers vous, euh, Madame Sissé Nadia Taribako. Donc, nous avons écouté euh, ensemble la responsable Afrique de Reporters sans frontières. Notamment, on a vu d'autres formes d'engagement citoyen sur le web, d'autres qui s'engagent dans le domaine de la politique et autres vous, pour votre initiative, de qui est-ce que vous vous êtes inspiré pour mettre en pied cette initiative Est-ce que ça vient Est-ce que vous êtes inspiré de ce qui se passe ailleurs De ce qui se passe ailleurs sur le point de vue réseau social en termes d'engagement. C'est ce que je vous ai dit aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont euh, réseaux sociaux sont inévitables on ne peut pas passer, euh, on peut pas dire qu'on veut faire quelque chose sans les utiliser aujourd'hui. Nous sommes obligés. Mais euh, comme monsieur vient de le dire, il y a ses limites. Les réseaux sociaux ont leurs limites. Et je vous ai dit, je vous ai soulevé tout à l'heure un cas, euh, ne serait-ce que hier, je me suis fait agresser à, l'écrit par quelqu'un qui était contre et qui, qui nous a même carrément. Qui ne croyait pas à Il ne croit pas, il est là-bas à DIFA, il dit que non, DIFA n'a pas besoin de, de, de d'aide, d'IFA, tout va très bien. Pourquoi On veut usurper, on veut prendre de l'argent euh, sur les dos des malheureux. Donc c'était un peu malheureux pour nous, ça nous a découragé un moment, mais après quand on s'est parlé sur le groupe WhatsApp, on a dit non, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Mais franchement, c'est, y a, parfois il y a des offenses. Il y a des offenses et on ne peut rien. Est-ce que, est que pense à faire d'autres types de solidarité pour d'autres catégories de personnes et pour d'autres régions sûr. Par exemple, là actuellement, euh, monsieur, le monsieur de NCC euh, vous a parlé de quelqu'un, Inna Caranta, qui est vraiment avec nous. C'est même grâce à elle qu'on a pu euh, faire beaucoup, beaucoup de choses parce que euh, nous, nous avons tous évolué à l'extérieur. Bon, moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup de gens ici à Niamey et c'est vraiment grâce à elle qu'on a, eu, on a pu faire tout ce plan de communication et ce plan d'action. Et on se disait que, bon, DeFi c'est ponctuel c'est juste pour donner l'exemple aux autres, pour leur montrer qu'en tant que jeunes Nigériens, nous pouvons faire beaucoup de choses. Après, pourquoi pas Pourquoi ne pas penser par exemple à l'hôpital national Là, on est, on est vraiment en train de, penser à ça. Pourquoi pas l'hôpital national et, pourquoi pas aussi, euh, il y a plein de centres, hein. il y a des enfants, il y, a, des femmes fistuleuses. On pense à vraiment beaucoup, de choses. Et ce qu'on veut faire, on veut faire aussi preuve de leadership. Parmi nous, il y a encore plus jeunes. Et ce sont ces jeunes qu'on a envie de lever, de tirer, pour leur dire nous, nous avons fait des Care, faites autre chose et lancez-vous. Monsieur Bachir Talfi, du NCC, est-ce que les seuls champs d'action du NCC aussi vont s'arrêter à l'incivisme et à l'insalubrité, la sécurité routière Est-ce qu'il y a d'autres idées en vue oui, mais avant d'aller euh, sur ces autres idées, je voudrais euh, juste dire quelques, quelques petits mots sur ce que vient de dire euh, euh Arji et donc le reportage que nous avons écouté. En parlant de cyber-responsabilité, c'est juste pour signaler qu'en fait, il y a déjà une législation, c'est notamment l'acte additionnel de la CDAO du 16 février 2010 sur la cybercriminalité. Maintenant, il reste que les États, donc membres de la CDAO, dont le Niger, doivent mettre cela en pratique en prenant les textes appropriés pour réprimer toutes ces actions euh, ces actions, ces infractions euh, commises par l'intermédiaire donc de l'utilisation des, des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Alors par rapport aux actions de NCC, je disais tout à l'heure qu'en fait ce n'est pas seulement euh, l'insalubrité ou euh, l'incivisme. Dans notre. Euh, Juste deux exemples. Deux exemples. Ben, J'ai parlé de d'éducation et de sensibilisation. Donc ce n'est pas seulement l'insalubrité, la sécurité routière ou euh, l'incivisme. Euh, nous avons aussi euh, des axes d'action contre l'éducation et la sensibilisation des populations. L'objectif ultime pour tout ça, pour tous ces, en fait, pour tous ces actes, ces axes d'engagement, c'est le changement de comportement. Nous voulons arriver à ce qu'il y ait une Nigériens nouveaux par l'utilisation donc de ces moyens de communication que sont les, réseaux sociaux. C'est vraiment le changement de comportement. Comme l'a dit Cédric, il ne faut pas que les gens restent dans leur salon, dans leur coin, pour critiquer, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, mais que les gens changent de comportement, qu'il y ait un déclic, je l'ai dit, qu'il y ait un déclic dans la tête des Nigériens pour qu'il y ait un Nigérien nouveau qui soit assez responsable et qui se sente concerné par des actions euh, communautaire pour le propre changement donc, de, son, de son environnement, de son cadre de vie, tout simplement. Alors, par rapport tout à l'heure à la question qu'on évoquait où certaines personnes peuvent se retrouver être arrêtées ou euh, par des, pour des actes qu'ils auraient à commettre ou des propos tenus euh, sur euh, les réseaux sociaux, je veux vous proposer de nouveau à suivre euh, Cléa Kansriber, responsable d'Afrique, qui trouve que souvent c'est déplorable que des personnes soient arrêtées fait d'être euh, arrêté pour ses opinions, malheureusement, c'est pas quelque chose de, nouveau euh, dans certains régimes. Euh, là, c'est vrai que le fait, euh, bah, avec les réseaux sociaux, l'expression à la fois euh, se démocratise et en même temps touche un public de plus en plus large. évidemment, on condamne ces arrestations parce que personne ne devrait être emprisonné pour avoir exprimé des opinions ou, ou fait circuler une information. Voilà, dans la limite du droit international qui prévoit que tant qu'on n'appelle pas à la violence et à la haine, on a le droit d'exprimer absolument ce qu'on veut. Jusqu'où peut aller l'engagement citoyen sur, sur les réseaux sociaux pense que les réseaux sociaux doivent être plus comme un outil de, partage d'informations pour euh, un engagement euh, citoyen, un outil euh, de partage, un outil d'information, un outil de vérification aussi, parce que la contrepartie des réseaux sociaux, c'est que comme tout le monde peut poster, il y a aussi beaucoup d'informations non vérifiées qui circulent, beaucoup de rumeurs. Donc il y a aussi un rôle d'autorégulation des, utilisateurs des réseaux sociaux pour justement vérifier et valider les informations et éviter parfois une escalade basée sur des faits qui sont faux. C'est à la fois euh, la beauté de, cet engagement citoyen en ligne et en même temps euh, les limites, c'est-à-dire ne pas tomber euh, dans les fausses informations, dans les rumeurs. Et puis, enfin, je pense que la réponse appartient à ceux qui, participent et qui animent ces réseaux sociaux. Cléa Kansribe, responsable Afrique Reporters sans frontières. Alors, rapidement, en 15 secondes, on ne peut pas se permettre de tout faire et de tout dire sur les réseaux sociaux. Oui, il y a des normes qu'il faut respecter. En plus de la répression, moi je trouve qu'il faut surtout faire l'éducation. Parce que la répression a ses limites de par la nature de l'outil même, qui est difficile à saisir, de la mobilité et de l'appropriement géographique des citoyens. Mais toujours est-il que l'importance de ces outils nous est révélée par le fait que les gouvernements sont dérangés lorsqu'on pose certains débats. Ils sont nobles parce que tout simplement, les gouvernants arrivent à avoir l'impact de ces outils parce que on peut mesurer. On peut mesurer. On vous avez fini votre, votre temps de parole. Bachir, rapidement, un mot euh, sur, ce que nous venons de nous dire euh, Au risque de me répéter, je dirais que vraiment NCC, DIFA, ICARE, mhm. c'est vraiment le déclic, c'est le changement de comportement euh, de la part du Nigérien et l'engagement citoyen surtout pour des actions communes et qui intéressent toute la communauté. Nadia Et des actions concrètes. Donc vraiment, il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup attention à ce que nous écrivons sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas que ça soit une arme contre nous, il faut vraiment que ce soit de la sensibilisation et aussi l'éducation, comme le monsieur nous a parlé tout à l'heure. Donc mm. en gros, c'est ça. Merci, merci à toutes et à tous. Euh, je vous rappelle que nous sommes offerts au terme du forum de ce soir. Nous étions avec euh, Madame Sissé Nadia Taribako qui est membre du groupe DIFA Eker, Bachir euh, Talfi, coordinateur du groupe nigérien cyber et Seydou Arji, journaliste consultant en communication et gouvernance. Présentation de cette émission à la Sankouzi, réalisation Mokhtar Hamadou, à la technique Gunga Abdoulaye. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence pour le forum de la presse. Bonsoir.